Euh, di And la crème euh, n'est-ce pas euh, de des acteurs culturels du Sénégal comme d'ailleurs parce que y a tamit acteurs culturels euh, étrangers alors euh, comme nous l'avons dit la semaine dernière dañ fiy recevoir le DG de la SODAV euh, M. Ali Bachili, di fi recevoir également Shadia, la star sénégalaise montante elle fait de la world music mais nee na une musique polar, elle am afro polaire nous ci a aussi kanam ak également on va parler des arts visuels donc Faye Murph euh, Morfay Murph, euh, euh, c'est un artiste peintre international sénégalais qui collabore avec beaucoup d'artistes étrangers, notamment des Suédois, des Américains, des Français, des Hollandais. Euh, collaboration bi Arteranga, c'est avec les Américains. deux vernissages prévus au programme au Village des Arts et à l'hôtel Sohamo, là-bas euh, au plateau, euh, n'est-ce pas, en ville, c'est près euh, de chez moi. Donc, salut à tous nos amis voisins du plateau qui nous suivent. Alors, demain, Bayrek, donc, Sunyu Harit, mais honneur aux dames, Shadia. yow ni ñuy nga ñëk a <laughs> Shadia au beau sourire. bonjour Shadia. bonjour Aïni maa ngi kontaan ci invitation bi di nuyu monsieur Bathily di kontaan ci téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers RTS 1 di kontaan trop ci invitation bi. dëgg la <laughs> euh, yow nag tey nga indaale sa guitare. waaw gis nga mais nga fas yéene yëngal RTS xanaa tey. <laughs> parce que lii moom mooy sama arme man du ne. su may xëy wala su dem xexi li moy sama arme. guitare bi de ah dama koy wala solo. Hein? non bi simple la. simple acoustique la acoustique ah hmm. oui c'est vrai mais yow xam nga ñun dañuy dañuy defar spécial acoustique. <laughs> ben samedi soir dinañ ci ñëw. ah alors euh, monsieur Bathily ñu bay la nga nuyo oui voilà euh, ma ngi nuyo RTS di nuyo tous les téléspectateurs ak yow ci sa bopp ak mhm. sama xarit mhm. saja parce que ñi ñom lu may wax ñom ñoy sama patron ah, ñoom laa fi ne war a ah, voilà ah, ñoom lañ fi ne war a kii voilà nous sommes là vraiment pour servir les euh, pour servir les on va parler du statut de l'artiste mhm. on va parler euh, n'est-ce pas de la copie privée tout à fait donc parce que SODAV nak euh, may fàttali ne la société sénégalaise du droit d'auteur ak des droits voisins tout à fait euh, mom nak euh, mo remplacé BSDA le bureau sénégalais du droit d'auteur euh, n'est-ce pas donc ñu allons présenter tout d'abord mhm. SODAV moy lan ak lan sa mission ok voilà merci beaucoup merci donc déjà rappeler que la SODAV c'est la société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins waaw donc SODAV dafa ñeu utu BSDA waaw BSDA mission dañ ko yamalé won ci droit d'auteur dëgg la SODAV ñëw dajale droit d'auteur mission bu BSDA amon waaw boole ci droit voisin donc gis nañ né mission mi moo large mi ngi commencé fonctionner en 2016 voilà buñ ko joxé son premier agrément bu nga xam c'était le 7 mars 2016 agrément après cinq ans ñu évaluer ko moy évaluation institutionnelle et financière bu président Macky Sall doon wax buñ ko évaluer gis na ne lépp jaar na yoon waaw ci nuñ koy gérer nuñ ko organiser nuñ ko admin nu ñu ko koppar yi mhm. ñu dolliwaat cinq ans waaw et je pense que ne aussi toujours ci ay évaluation dama ciy profito rapport nag bu mujj bii nii gis nañ ne ne ñun rek lañ ci seetal wecc suñu gannaaw ba nag ah oui mu leer yaa de yaa ah <laughs> dafa am solo <laughs> xam nga soo yoree alalu sénégalais euh, surtout lu demee ne xaalis mhm. ñu lay teg gët dafay bari mhm. wax yi dana bari ça se comprend donc lu ñuy wax rek te fois seetal leeral mhm. dafa am solo du bàkkaar gannaaw dañ ñoo jox lu ñëpp bokk waaw donc des fois aussi li lépp ci reddition des comptes la bokk waaw suñ ñëwee cay saytu la ba pare waaw donc aussi da ngay wax mbir ma na mu demee dëgg la waaw ñoo xam ne ne aussi lañ ñu jox uh-huh. xam nañ solo bu mu toll parce que ay nit ñoo ñu jox seen ak ak seen yelleef donc la jox akam ak yelleefam foo toll da koy war a mun a vraiment di ko rendre compte loolu mooy expliquer assemblée générale ñuy def at bu nekk le quatrième jeudi de chaque mois de juin waaw donc yooyu yëpp moo tax donc SODAV boole droit d'auteur droit voisin mais boole discipline officiellement depuis deux mille deux mille deux mille quinze am sen acte notarié waaw assemblée générale constitutive c'était en 2013 mais mi ngi commencé exercer officiellement en 2016 parce qu'il fallait l'agrément. Bien sûr. L'agrément, en fait, moi, le permis d'exercer. Bien sûr. Voilà, donc vous le 7 mars 2016 donc le 6 octobre 2016 a ci la passation weccoo lengue entre BSD et SODAV am. Très bien. Bés la SODAV objet bu mu war gérer commencé nak di doxal. légui ñu ñëw objectif euh, SODAV. Mhm. c'est quoi euh, les objectifs euh, les objectifs de la SODAV. voilà objectif yi déjà damay rappeler que c'est une société pluridisciplinaire moy droit te droit mais multi répertoire moy que c'est-à-dire art yu nga c'est prévu dans la loi 2008 comme une musique littérature art visuel dans son. dans son voilà dans son entendement le plus large. le plus large audiovisuel. art dramatique. littérature yop, objets, objet photographie peinture voilà yop, ñun dañ ko dougal le concept générique des arts visuels. waaw. nga art visuel le photographe, le y photographe le styliste même les arts appliqués font partie des arts visuels c'est-à-dire mm. une partie de l'artisanat voilà donc loolu mon nez, est vraiment un concept générique pour l'art art visuel. waaw nga musique l'art ci art dramatique l'audiovisuel, ci audiovisuel ci littérature ba les émissions radiophoniques et télévisuelles culturelles.

droit d'auteur mun len en charge droit de propriété industrielle mun len en charge à ce qu'on à travers ce qu'on appelle PIDAO ne fait fu ñu demati di fa gis musique gis fa tableau peinture wala des photographies d'art wala des œuvres d'art nañu fexé ñooñu ñu fay parce que ci lool la bok aussi loi bi waxul ne musique rek lañ wara fay ñëpp lañ wara fay. dëgg la léegi nag na ma ko defee neewu damay wañ ci lu musicien bi am non yow yaa nangu ne da ngay consommer ay œuvre nu nga nangoo fay musique vous allez accepter de payer aussi pour les arts visuels donc dama yokk pourcentage bu ñu doon fay pour mo mun ko fay art visuel yi du yokk pourcentage ba ma doon fay pour fay droit voisin yi donc ñi ngi ci jéego yi wóoraan ñi ngi ci jéego yi dëgg la euh, loolu moo ñuy indi sax ñu laaj Chadia moom mi nga xamante ni artiste musicienne la euh, chanteuse Chadia euh, est-ce que yow gis nga sa bopp ci Sodave parce que tamit maa ngi rappelé ne yaa ngi door yow sa carrière en 2013. yaa mhm. euh, euh génne 13 singles. mais sa première sortie c'était en 2016. 2016 c'est cela si je ne m'abuse. Mhm. donc euh, nga wax ñu balaa ñu véritablement sa bir carrière ndax yow yaa ngi gis sa bopp si Sodav. waaw ñu ci gis suñu Nous ñu ngi def euh, comme li ñu sant si côté art dem liggéey ce live ñëw remplir ce fiche jaune dem déposer ko comme ni ñu tàmm di def aussi suñuy œuvre aussi nous koy protéger.

pas avec tout le monde euh, euh, euh, li gis juste manifestement parce que nous artistes lu xamuñu ko est-ce que est-ce que xam est-ce que aussi ñi dem nañ xam lan est-ce que tamit communication buñu parce que la communication la rek. tay SODAV aussi war nañ am affaire bo dinañ artistes xamul. wala ku expliquer hmm. comme man man damay man preuve ne la lii tel jour laa ko fi indi et tout donc samay preuve mu ngi ak man donc ñun ñëpp nañ jéem a aussi dem gëstu ji parce que munoo def loo xamante ni munoo encaisser loo xamul. dëgg la donc tant que protégé wu la doo doo recevoir. dëgg la di ñu may euh, benn benn wéy. Euh, parce que dama jekk mom mm-hmm. mu ngi tot réseaux sociaux yi. xam nga man tamit artiste léegi <laughs> xam nga ci réseaux sociaux mais y a rien à faire c'est normal. <laughs> ci ngeen di gën communiquer vous êtes surtout présent mm-hmm. Euh, mm-hmm. sur les réseaux sociaux yéen artistes et et puis ça paye bien quoi. Euh, ça se comprend. mais nak tay télévision la ñu nous ñun aussi on est également la RTS est présente sur nos différentes plateformes. donc ñu ngi ñuy en direct ci Facebook ak YouTube. ak suñu yeneen réseaux sociaux yi. Euh, donc dañuy euh, dañ lay bàyyi nga préparer jël guitare bi ñu poser benn question euh, DG. Mm. en attendant que ñu may ñu benn mais euh, dama jekk moom moom la ñuy tëjee. avant ngay tëjee waaw boobu dañ leen di vidéo bi. mooy mën nañ leen defal exactement am nañ voilà voilà on veut savourer ta voix en live. Euh, ñu xool qu'est-ce que ça donne quoi. comme tey damaa def yëfu cosaan indi sama mbokk xalpulaar yi comme li may wax rek. je suis fière d'être pël. Hein. afropulaar waaw ma ñëw indi leen salaam en pulaar di ko nuyoo sama mbokk yëpp. mais pourquoi la world music pourquoi le choix de ce genre musical. parce que variété la jàng déjà Dia variété la commencé def piano ba am groupe am trois personnes euh, percu ak kora moom la commencé woon ak sama guitare di def piano ba di jàng variété aussi tey moo indi world musique bi lépp laay def parce que Sadia amul frontière ci musique am mais dama am particularité ni may demee depuis 2013 ma commencé def musique euh, di jàng

mooy que ne xam nga soda en réalité dynamisme répertoire lay fay lu mu wax soo créé da ngay ñëw enregistré ko muy benn soo demee joué fenn ay live ak yooyu am na fiche yu ñu leen di jox xam nga ñun mënuñ toog suñuy biro rek xam lan la ñu utiliser fee wala lan la ñu utiliser fële donc dafa am ay fiche yoo xam reporting même yéen rajo su ngeen ñuy fay wala télé vous êtes tenu de nous fournir des informations c'est-à-dire des relevés de droits d'auteur parce que nous, xam lan que lan avons fi am ce qui permet permettre procéder à des répartitions justes et équitables maintenant ma koy aussi ci lu c'est vrai que la communication c'est la preuve que bu ngi may woo dama ne la maa oui parce que j'ai fait euh, Louga j'ai fait Saint-Louis j'ai fait euh, tout le nord du Sénégal donc je suis rentré le samedi et yoy non, c'était des formations vous appelez les directeurs de centre culturel ils pourront le conformer. donc une semaine avant j'étais dans le sud j'ai fait Ziguinchor Kolda et quelques et quelquefois même je prends moi-même en tant que directeur pour aller faire cette formation nous allons vers les athées. maintenant peut ce qu'il faut comprendre aussi au Sénégal il peut y avoir plusieurs choses c'est-à-dire, il y a des artistes qui pensent que c'est leur euh, notoriété qu'on doit rémunérer. Non, je ne fay pas une célébrité, Je paye la réalité de l'exploitation parce que nous ne nga ben moment. on est connu mais on n'est plus consommé. Voilà, voilà, voilà, on n'est plus consommé. il est dans les réseaux sociaux et acteur culturel là mais la réseaux sociaux c'est pas de l'art mhm. c'est de l'activisme mhm. moi je ne rémunère pas l'activisme je rémunère la réalité d'une exploitation. Je ne rémunère ni la notoriété, je ne rémunère ni l'activisme, je rémunère la réalité d'une exploitation. exploitation, il faut une traçabilité aussi. Parce qu'une répartition juste et équitable, c'est une répartition dont on peut retracer la source. Parce que nous, nous sommes contrôlés et vérifiés à tout moment. Très bien. Alors, Chadia, euh, euh, Shadia, tout de suite, donc, on va se faire, euh, à oh ma foi, plaisir, avec la voix suave de Shadia sur la RTS, la télévision de tous les moments, votre émission donc qui bat son plein, les rendez-vous du samedi. Salam ami salminima assalamu alemon yo ami salminimo mi salminima jore mama bandirabam bëgg naa su ma taxawee yéen ñi ngeen kontaan ma leen di woyan di leen xool ngeen di reetaan ayo yela ayo mi koi so mi dilli jit mi koi so mi dilli mbeltoɗon kelle mon dow asalamale mon yo an mi salminima asalamale mon yo an mi salminimon mi salminima jurimama bandiraɓam ayo yelayo mbiyan misal minangu wonde nedi ene taari ko ɗum calmidirmi on jimɗan naate wonki ɓernde moon kele mon dow daade mon les mima pulago Sabu ko wani fano men Sumimi pulago Jabaragal chusal pelital dine kamene danga Yey Ko dum wani faro men Salam alemon, salam magnifique, euh, voilà. <laughs> Le DJ qui applaudit, euh, magnifique ah, voix de Shadia euh, sur la ah, RTS, donc la télévision

genre nuñ koy waxatee sax euh, euh, Bolé. non non pas léñal mooy mooy suñu suñu aada daal suñu aada suñu ah, aada di wax ci aada pël waaw culture bi di ci wax waaw d'accord En tout cas, c'est une langue très poétique, le peul. Mm. DG, gis naa la ngay hocher de la tête, d'apprécier, mm. apprécier, di savourer. Mm. Euh, naka nga la voix de Chadia et son art complètement magnifique, <laughs> sublime, vraiment. je suis pas critique de musique, mais au moins en tant que consommateur, c'est que c'est vraiment sublime, magnifique. et, uh-huh. vraiment, je me dis que de pareilles musiques peuvent se vendre partout, peuvent être consommées par toutes les mm-hmm. races, toutes les cultures, partout dans le monde. Mais Baba Mal, ah, euh, notre cher ami Baba Mal, euh, en est la preuve vivante. Ah, euh, il est international, ah, sa voix, sa musique est utilisée pour des films qui font le tour du monde. Moment Maïlelo, c'est pour dire Yusundur, entre autres Lim Doudjer. La wood music, ça se vend très bien. Euh, les jeunes l'ont compris. H, mhm. The Best, on l'aura bientôt sur ce plateau, également euh, est l'un des artistes qui marche le mieux euh, actuellement au Sénégal. Alors, DG, c'est quoi le statut de l'artiste Ok. Bon, le statut de l'artiste, en fait, c'est une loi qui a été adoptée. C'est vraiment pour assurer la protection sociale on dit des artistes, mais des professionnels de la culture. C'est-à-dire que ça va au-delà des artistes. Parce que c'est une loi dont, dans les décrets d'application, on parle non seulement de la protection sociale des artistes, mais on parle même aussi de comment réglementer, organiser le travail de tous ces gens-là qui gravitent autour de la culture. Je veux parler, par exemple, les, organisateurs de spectacles qui sont là aussi, qui sont protégés par cette loi-là. C'est-à-dire qu'ils reconnaît et en tout cas <clears throat> qui, accorde une reconnaissance en termes professionnels à tous ceux qui travaillent dans le secteur de la culture. Et pourquoi euh, est-ce que c'est important <clears throat> Parce que depuis longtemps, on a vu que les artistes, quand ils sont dans la vieillesse, souvent ils sont rattrapés par la maladie, etc. Souvent, c'était des quêtes. Oui. À tort, les gens pensaient que c'était le droit d'auteur. Non. En réalité, comme toute profession, euh, la profession culturelle doit être réglementée. Que ceux qui euh, exercent dans ce secteur-là puissent bénéficier d'une certaine sécurité sociale. Ça veut dire quoi Pouvoir avoir des droits, des congés comme tout le monde à un moment de l'année, se reposer et pouvoir être rémunéré. Ce qu'on appelle congé des intermittents si vous allez en Europe, n'est-ce pas euh, Vous prenez un exemple. Hein. voilà, Dans bëgg un exemple imagé. Alors nga am hôtel sa hôtel bi yow yaa ngi say secrétaire say comptable affaire yooyu noonu ñoom dañuy liggéey bëccëg bi mais danañ am congé artiste bi mooy ñëw di la liggéeyal guddi bi waaw di la defal animation pour sa clientèle mais artiste boo amul droit congé doo ko defal contrat de travail te chaque jour mu ñëw mooy travail ci heure yu gën a impossible heure yu gën a métti su feebaree amuloo dalalu la warloog moom finalement on a vu que aussi c'était un habit

ëmb waxtu ci at bi nga dem noppalu dallu waaye du càggin ñu fay la dëgg la donc loi boobu vraiment dafay gën a valoriser don une reconnaissance ba nga xam ne la profession culturelle est day dans la nomenclature des catégories socio-professionnelles de ce pays-là. donc si vous avez li nga wax euh, droit artistes euh, mm. DG les prix euh, des récompenses. Mm. le droit à l'organisation le droit à l'expression le droit à la formation le droit de propriété intellectuelle mm-hmm. avec le droit à la protection sociale bi nga bi nga hein. et protéger également mm-hmm. leurs œuvres parce que la reconnaissance de leur contribution à la vie de la nation et la valorisation de leurs actions. dafa nekk loo un combat de tout le monde la war tout à fait xam nga moo tax su la loi sur le droit d'auteur gars gens dañ et oui soda pirate yi dañu je le rappelle que soda sa mission première c'est de gérer des droits c'est la loi qui protège. parce que man souvent quand dem fenn sax nga rencontrer autorité mu ne la woy loi bi soda man dama lay arrêter loi bi loi au c'est la loi de la République du Sénégal adoptée par l'Assemblée nationale du Sénégal dont l'exécution est à la charge de toutes les autorités administratives et judiciaires de ce pays-là. C'est pourquoi on dit que la protection de la propriété intellectuelle est du ressort du juge. même nous, les sénégalais sax sommes biir Sénégal. di fi juge bi protéger. ak gestion droit voilà euh, est-ce que l'artiste, d'après li nga wax ni la loi bi moom la leen conféré euh, est-ce que inscrire à la protection à la sécurité sociale Chadia y a une question bobo, est-ce que tu es inscrite à la euh, sécurité sociale non pas encore parce que ma ngi soog am information yi ngi déglu maa xol tamit direction bu may. ci ci wax ji ñuy wax ni ah. non non pas wax ji. ok maa bay xel depuis bobu depuis boobu damay déglu di laajte. di laajte donc mais déjà, mu ngi donc il faut en profiter. Uh-huh. il faut profiter également de cette émission. Vous expliquez expliquer nan la ñuy def. voilà pour s'inscrire c'est pour sensibiliser mm-hmm. et conscientiser un uh-huh, peu les artistes. Mm-hmm. parce que nak vraiment depuis le temps qu'on en parle euh, jusqu'à présent artistes yi dañ naan ñoom xamuñu wala dégguñu wala yëguñu euh, c'est un peu compliqué donc euh, DG la voilà euh, je vais faire une précision. Mhm. sur la loi sur le statut de l'artiste et sur la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins. Mhm. vous savez la loi sur le statut de l'artiste le portage c'était le ministère de la culture. oui parce que ça dafa euh, concerner woon askan créateur donc je sais que adopter une loi bi. Mhm. décret d'application yi gars yi mais il y avait toujours des réglages parce que entre les différentes corporations mais je sais que aussi le ministère a prévu des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation de cette loi très bien xam naa dañuy bàyyi ñoom ñu pare les décrets d' donc c' normal tout à fait mu wax ne inscrire gu ci parce que il faut que ne processus boobu noonu mu dem ba yegg ministère jël ko mais may préciser que ne kooku ce n' est pas à la charge de la SODAV la mise en œuvre de la loi sur le statut de l' artiste bien que nag dana dana ñu concerner parce que nous tout ce qui touche aux artistes à leur bien-être mënuñ ci doon indépendant dans les groupes de travail on intervient mais nous n'assurons pas le portage de cette loi là mais quand même loi solo je pense que le travail de vulgarisation d'information nécessaire sera fait et vraiment à partir de ce moment dans une yan condition le nit di vraiment defee pour nga adhérer pour qui pour xam ñom ci seen bopp ki qui euh, est artiste ak qui ne l'est pas parce que ça c'est très <laughs> important euh, qui est artiste et qui ne l'est pas xam nga yeewu rek woy sa ben woy ne artiste nga wala nga xey photo ben photo taf ne artiste nga mm-hmm. photographe nga tamit dafa metti dal mais vous avez parfaitement raison vous avez d'ailleurs lool motax ñuy wax la carte professionnelle waaw de l'artiste mi ngi ci ki loi boobu noonu ñoom danañ tek ay conditions yo xam ti ngay mëna amé carte professionnelle les conditions yoo aussi dañ lay retirer carte professionnels. parce que euh, ordre boo la profession boo gis des conditions doctroires. de l'agrément et de reconnaissance mais am na condition yoo xam yooyu mun na dañ loolu donc daf daf cee am solo ñu xam kii artiste parce que même nous au niveau de la SODAV on a ce problème là des fois gis koo xam ne ne day ñëw fexe lijjanti ba am benn ki su remplir condition yoon moo ko xa yoon dafa sew soo ne lii mooy condition nit ki indi ko mais da nga koy am na ñoo xam foog nañ ne suñu ñëwee rek déposer benn yoon ñaar yoon SODAV rek jeex na tàkk da ngay toog ba cent ans saa ñu fayee ñu fay yow nga <laughs> <laughs> Alors, c'est que me Chadia alors euh, proposer à amis téléspectateurs et nous-mêmes à découvrir ou à redécouvrir euh, ta nouvelle vidéo ton nouveau euh, produit nouvel opus sur votre télévision nationale la RTS la télévision de tous les moments jigéen n'ak jekk dafa Voilà, à l'instant, sur votre télévision nationale, euh, Nim Djeké, euh, c'est le dernier opus donc de Shadia, qui est notre invité aujourd'hui sur ce plateau, une de nos invités euh, des rendez-vous euh, du samedi. Je précise que Morpha Murph, grand plasticien, artiste sénégalais international qui fait la fierté du Sénégal ici, ici comme à l'étranger et dans nos studios. Il sera là d'un moment à l'autre. Alors, euh, Shadia Nimodjeke, ça parle de la beauté de Shadia, de la beauté africaine, de la beauté polar en général, Peul. Euh, nga génnee euh, donc euh, produit depuis dix jours. Mhm. promotion promotion bi ça se passe bien. waaw maa ngi ci promo bi déjà ni ma ça parle de Chadia particularité Chadia parce que tout le temps comme nous ñuy wax rek ay porteuses de voile, tout le temps dañu war a ñëw di am lu ñuy indi lu bees. donc Chadia nag génn na fu nekk ma ne nag bi yoon. xaar ma woy sama bopp wax ci sama particularité wax aussi ci africanité bi may incarné ak aussi sama style muy style afro pulaar comme les may les may toujours parce que tey comme li ñuy wax rek nit li nga doon boo ko bañee daf fekk nga gën cee ñaaw te ñaaw ñu ci nag dañuy teg suñu yoon ñu ak suñu instrument ñu aussi ak suñu groupe de jouer en live parce que loolu lañ tàmm loolu lañ kii mais toujours dañuy def ay recherche di ñëw toujours indi originalité ak toujours ak les styles indi fenn foo xamante ne parce que bëgguma ñu ñëw nekk ci ñun ñëpp ñu nekk ci benn rythme mais dafa war am ñoo xamante ne dañuy démarqué toujours mais ci démarcation boobu mun nga ñëw fekk si ñëpp bien sûr mais dem parce que c'est ici festival

tenue euh, euh, tailleur euh, mbala jean après dañuy ñëw simple la te artiste warul simple te artiste dafa war di créer am ay idée di ñëw toujours ak originalité. ak lu bess mhm. alors euh, yaa ngi génnee euh, vidéo bi depuis euh, une dizaine de jours. le 3 mai la génn. 3 mai mhm. exactement. Mhm. aujourd'hui on est le 18 mai. donc promotion bi ça se passe bien yaa ngi ma wax né yaa ngi ko tourner Dakar. est-ce que métti woon comment ça s'est passé. wa tournage déjà ñep xam nañu yombul parce que comme ni ñi wax rek ñom dañuy gis né lepp rafet na mais li ci ginnaw xamuñu ko. mo gëna metti wa da ngay sonn balaa nga koy def surtout nak nga nek am autoproduction lépp yaa koy defal sa bopp donc c'est un peu compliqué mais comme ni ñuy wax rek c'est la passion passion moo la ci yóbbu donc coono bi yow doo ko yëg ak lu mu métti métti métti tant que yaa ngi koy bëgg nangoo liggéey je pense que yàlla da lay teg ci yoon bi parce que comme ni ñuy wax rek temps bu liggéey métier la musique métier la métier la boo xamante ne dafa noble boo ko tegee ci yoon yàlla mën na suturaal ba li nga bëgg nga am ko ci mais na dafa am temps bu muy laaj aussi ñu ngi ci promo bi te ni ma jekkee dafa ne lancé anniversaire Chadia chaque année le 13 euh, juillet Inch'Allah. d'accord Phoenix lañ de fait, Phoenix. Phoenix Phoenix lañ koy defee Inch'Allah. ça nous amène à parler ah. de tes projets. Chadia <laughs> euh, euh, lan moi présentement dans le court terme tes projets. Un ah, projet déjà nous utilisons la promotion au Nima ma de faire la promotion anniversaire en live Shadia avec Willy Band comme nous avons ko chaque année. Euh, ci loolu lañ nekk bu ñu paree novembre décembre ñu ngi aussi ci ay festival yu ñu war a préparer donc je pense que loolu moo fi nekk nañ ñu suivre aussi suñuy page réseaux sociaux Chadial officiel information yëpp mu ngi foofu mais ñu ngi ci yoon bi daal di liggéey ndànk-ndànk. Euh, léegi yow balañ laa bàyyi. Mhm. Euh, ndax dañuy recevoir beneen invité. Mhm. de Chadia mhm. doo toog ak DG Sodav. en la personne de Ali Bachili. lan nga koy wax lan mooy sa mbébét lan mooy sa ah, soxla wa soxla bi mooy juste ñu gën ñu informer artistes parce que tey man li wax toujours tey war nañ mën formaliser wu mhm. ba tey bu ñu amee suñu œuvre sax war ko dem di déposer ji mhm. war nañ mën a toog suñu biir kër yor suñu connexion double ko sans problème donc loolu man lu may wu la aussi ñu ñuy gën di di informer parce que daf ci am solo tey du ñëpp a xam du ñëpp aussi ñoo nangu xam mhm. te du ñëpp aussi ñoo bëgg xam mais ku ñëw ci yéen di am nu muy jël si war ngeen ko mën a dimbale taxawu ko ba mu comprendre même bu comprendre am na nooy waxee moom mu comprendre après liggéey bi jëm kanam ñun tamit ñu oy fa suñu bopp parce que ñu ñoo nekk si suñu liggéey ñoom dañuy dimbale pour suñuy œuvre mu dox mais aussi li may gën a métti man beneen côté mooy dangay liggéey li ngay liggéey yëpp effort bi nga ciy def dafay métti mhm. xaalis bi nga ciy def dafay bëri te yow mënoo ko ci am ci naka ngay jaayee yow da ngay jaay ci plateforme yi wala ndax da ngay naka ngay jaayee yow sa musique maa ngi ci plateforme yi mais déjà xam nga c'est un peu compliqué tey am ñu culture sax ñun dem jënd ci plateforme déedéet c'est un peu compliqué man loolu laay wax toujours tey nit ki bu la bëggee ci lim la mën a jàppale mooy yow say œuvre tey lan la la mën a say son sax da koy defar yow yaa koy partager nit ki par WhatsApp par WhatsApp <laughs> amul sens amul sens après yow nga dem jël studio bi da fay musiciens yi da leen di fay loolu yëpp da nga leen ko nga koy fay xaalis bu weextaal nga génne sa vidéo teg ci vidéo presque day dépasser un million waaw waaw <laughs> doo ci am dara boo joué wul live c'est ça live yi sax parfois <laughs> li ci ciy wut doo ko ci am parce que da ngay joué pour la forme bugguloo toog waaw wala bugguloo perte sa main mais contrat yi ngeen di am euh, ak euh, bon je les connais hein les gars un peu de la place qui sont aux Almadies et ailleurs mm-hmm. contrat yi c'est pas juteux

vidéo rek xaalis la son rek dina la million cinq wala presque 1 million bo moy millions mm. bu autoproduction ngay def affaire ngi compliqué ci maison de disque dara pour nga def affaire nga am lu Il wala fo nga comme ni ma di wax rek précipitation mm. Sadia norme bu mm. composition matte plus de 30 sons kon am album mais bugguma liggéey di yàkkamti Nous avons aussi si album On naa heure bu paree rek après dinañ leen ko jox yéen ñëpp comme ni ko di en tout cas kontaan nañ tey <laughs> euh, vraiment hein? mm-hmm. oui c'était juste pour dalal xelam parce que dafa am lu am solo lu mu wax waaw rassuré que nous avons travaillé. Ce n'est pas un projet hein, c'est un projet qui est en cours d'exécution mm-hmm. mooy lancer la plateforme intégrée SODAV digital parce que mm-hmm. dafa avons ci suñu projet projet de mi SODAV digital ça permettra à tout monde fépp foo munta nek mhm. da nga commencer procédure d'adhésion fépp foo munta nek suñuy fayati so automatiquement da nga xam situation est-ce que mhm. tu as des droits en instance à la SODAV fépp foo munta nek nga soxla xam sa situation catalogue au niveau de la SODAV donc ah, et ça va au-delà des artistes même avec ceux qui doivent payer ceux qui sont en contrat avec la SODAV ku ci qui da nga et vraiment on va privilégier les moyens de paiement mobile nga xam bés bu ñu fayatee des fois noo ko kiiwee rek noonu la ñuy envoyé selon les opérateurs suivi loolu loolu kañ lay door waaw non dégguloo liggéey bi commencé na liggéey bi commencé ce qui est sûr on ira en assemblée générale le 28 juin et le 28 juin inshallah, on va lancer la première version de cette application là très bien On va construire ça. Ah, ça prend du temps parce que ça fait des mois ñu ngi ciy mais pour preuve de ce que nous dirons le 28 juin danañ en tout cas projeter la première version de cette application vous savez la Soda est une entité très moderne maintenant dans le toucher le lu am solo. les plateformes. les plateformes dañ ciy ñëw. ah fi mu nekk nii dañuy bàyyi Chadial dañ koy bàyyi mu dem samedi, tey samedi dafay war a noppalu ju guddi mu joué ji. Euh, donc nous euh, recevoir euh, Ali Faye Meur. Morphy Murph, autant pour moi. Mais tout de suite, on vous propose le coup de cœur musical euh, de la semaine et on se retrouve juste derrière. Ces projets, euh, magnifique magnifiques vidéos, euh, il est d'origine burkinabé avec notre ami Korka du groupe Jigenis Martyr. Donc Korka, on te fait de gros bisous et on vous souhaite à, à tout le groupe Jigenis Axel Gore euh, Samba Diaïté. un très bon week-end euh, nous remercions infiniment également Amélia à Sacré-Cœur pour la mise en beauté de Shadia elle est splendide euh, Amélia yow toogal xaar alors chose promise chose due comme je vous l'annonçais à l'entame de cette émission euh, Murph, l'artiste plasticien sénégalais international est présent dans nos studios il est là sur ce plateau euh, des rendez-vous du samedi euh, Mor Faye euh, dañ lay tout d'abord Balani ñuy ñëw ci waxtaan bi nak ndax nak ñaari vernissage yu am solo bi c'est à l'hôtel Sohamo bi ci au village des arts n'est-ce pas art et hospitalité lolu c'est un un concept tu travailles beaucoup avec l'étranger notamment la Suède la Hollande la France mais bien avec les États-Unis les Américains donc voilà je me présente Mor Murph, président de l'association Art Éducation Environnement. qui travaille beaucoup avec les enfants de la banlieue et à l'extérieur. et président du PACA le PACA c'est le cercle panafricain des artistes qui est établi dans différents pays en Afrique. Bien sûr. Le PACA existe depuis combien d'années? Depuis 90. C'est des étudiants ghanéens et nigériens qui avaient formé cette organisation. Donc moi, je suis copté pour représenter le Sénégal. Très bien. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Je sais que vous êtes venu à Wolof. D'accord. Euh, pour nous, que vous puissiez entendre. PACAN est une organisation qui existe depuis 80. 91. 91. donc, quelle est votre mission et objectif pour PACA Bon, PACA est un artiste de Ghana et Nigeria. qui avons formé des étudiants de euh, l'art Walu Art, les ñooñu dañu dem ba grands conférenciers sont reconnus mondialement. Mhm. en 2010 nous sommes au Gambie pour avoir une connexion avec des artistes de la sous-région. directeur du centre culturel français comme je le sais depuis longtemps. mu ne leen Gambie mais qui recommande, recommande mën a euh, Mor Faye. invité à Dakar depuis 2010. après nous avons fait beaucoup de choses en Afrique chaque biennale nous avons invité. Rennes, ils sont 18 mais pour le moment 8 ñoom ñoo yegg voilà voilà euh, mais Rennes, parce que biennale mhm. euh, c'était au mois de mai là euh, dañ à septembre prochain notamment 7 septembre les démarre, mhm. démarrer 7 novembre plutôt mhm. prochain donc nous, dañuy dans quel cadre fils Sénégal bon xam chaque biennale dañuy organiser un événement. il y a deux événements Bienvenue bi euh, au village des arts le 16 passé. waaw boobu moom moo nekk art hospitalité. ñu ngi ko tuddee teranga art. ay artistes noirs américains yu dëkk Saint-Louis Missouri. ñoo xam dañu am jumelage ak Saint-Louis bu Sénégal depuis des années Nous avons ma bind demande de collaboration. parce que nous avons bind ñu ne ma dañu bëgg collaborer ak yow période biennale bi. ñoom ñu nekk cinq artistes yu xarañ. ma accepté leen loolu ma nit ma tànn yeneen ñeenti artistes ñu nek prévu au musée Boribana avec euh, Aomaraba, ah, que je félicite au, au <laughs> passage parce que franchement elle nous a beaucoup soutenu on avait à euh, mon fofu ak euh, protocole d'accord, cest à dire qu'il fallait faire événement mais malheureusement pour des contraintes techniques biennale bi monde am voilà donc le ministère a décidé gouvernement a décidé pour le novembre Nous, on était à 99% prêts. près. waaw leen rek nous ñu moi à catalogue tirage catalogue bi tamit c'est le texte de son excellence l'ambassadeur des États-Unis mon Defno, na texte ministère de la culture donc puisqu'on euh, puisque on avait les billets réservé nous tout tout tout on ne pouvait pas renoncer mais par respect nous dindi turu biennale bi dindi off bi ñu bàyyi de noonu Teranga Art délocaliser ko indi ko village des arts parce que le village des arts tamit dafa deux jours des journées culturelles on avait organisé ça avec notre président Mamadou Mbaye jours donc c'était une occasion puis amé fofu, un petit décalage au niveau de Bouribana il nous a accueillis D'accord, très bien. Mhm. Le PACA exposition, mhm. on parle du PACA depuis mhm. tout à l'heure. Euh, mon vernissage, bi, euh, c'est prévu demain. à à, l'hôtel n'est-ce pas, euh, là-bas en ville. c'est près de la mer, c'est un espace absolument magnifique. Je vous conseille d'y aller si vous ne connaissez pas encore. le cadre, ma foi, il est enchanteur, n'est-ce pas Exposition Bien Fonara elle sera tout simplement une merveille. Alors, parlons nous un peu de cette exposition de demain. Nous une caméra nous euh, filmer ñu Euh, on a vu tout à l'heure euh, défiler euh, vos œuvres sur nos écrans Bon, nous waxee ci exposition après nga wax ñu ci yan matériaux ngay liggéey ak ci thématique ngay bon comme nous l'avons leen ko waxee bi organisation la artistes professionnels chaque biennale dañuy def appel à candidature parce que nous mënuñu bokk ci une bi donc da ngay déposer un dossier artistique ce portfolio ce biographie résumée avec quelques œuvres récentes cinq guides de femmes ben, comité d'organisation bu koy Les léegi bu ñu ko xoolee ñu ay artistes Beaucoup ñu ko sélectionné léegi dañ lay jox dès léegi délai boo xam ne ni yow war nga prouver que ni am nga billet pour ñu mën la régler euh, arranger la fi nga war a Moi, euh, en général da nga gis artistes yu bëri yoo xam dinañ inscrire nek ci catalogue bi mais d'une ñu donc c'est parallèlement ce que fait l'État. sauf que nous avec sponsor, sans sponsor, on le fait. Parce que c'est des artistes professionnels. Dañuy dañuy donc de euh, tamit on était prêt à 100 pour cent. Mm. édité catalogue et tout mais dans nañu biennale bi ak off bi donc on vient on fait on fait la fête quoi. vous faites on la fait fête la fête voilà ah, c'est ça mais c'est génial mais mais y a ci une euh, thématique est liée parce qu'il y a un environnement y a wax euh, éducation. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, c'est des thèmes très euh, porteurs très intéressants mm-hmm. ak qui thème bon Mon sama thème principal ça tourne sur l'humanisme la société damay def un questionnement par rapport à mes voyages et tout ça fait cinq ans que je travaille sur l'interculturalité parce que je gis que nous, nous avons gis culture mais culture yi ne peux classer nga ni bii moo jël premier bii moo jël deuxième parce que nit ku nekk par rapport à son environnement ak histoire am ak population dafa am ay adage dafa am élément yu bëri yoo xam ne ni loolu moom mooy tax yow nga nekk li nga doon mooy sa identité waaw c'est identité culturelle léegi nag loolu yow doko ko nit yow mën nga nekk nasaraan nga ñëw ci benn village gis ñu lekk cere ak loxo léegi nag yow da ngay jàng soo xamul nga laaj li nga jàpp ni baax nga jël ko kële tamit bu ñëwee ci yow dafa mel ni benn couple a yow de mes Europe nga takk benn nasaraan mën ngeen bañ a bokk cosaan bokk religion mais ak mbëggeel bi amna folenti foo pour que moi am benn équilibre. bien sûr L'équilibre, équilibre boobu nag laay tuddee intersection. Euh, euh, interculturalité. parce que loolu moom mooy waral intégration du peuple. loolay waral xuloo du am guerre du am. guerre du am parce que yow da nga fexe tout comprendre nit qui li gën ci moom. comprendre le. yow mën nga bañ a julli nga bàyyi ko mu julli su jullee ba pare yow bëgg nga lekk sa cere ak sa loxo wala sa laax raasul nga lekk ko bàyyi ko moom ak ay kuddam ak kii. dëgg la mën nga bëgg teg sa cravate moom bëggul mel ni day xoj boppam wala mu jël euh, ay mun a takk ci loxoom. waaw bàyyi ko ak grand bu bëm c' à dire su amee compréhension boobu. Le monde ça devient un peu équilibré quoi équilibré et harmonieux. voilà c'est ça c'est très important. alors DG je nga suñu xarit. mon wax mm-hmm. euh, artiste peintre là, mm-hmm. euh, Yakarna aram tamit mm-hmm. le statut de l'artiste les droits d'auteur euh, les droits voisins donc déjà nga petit déjà moom ci liggéeyam. Voilà, déjà le saluer et vraiment le remercier et le féliciter hein, pour tout ce qu'il est en train de faire. Euh, voilà. Donc, juste pour expliquer que nous SODAV aussi, comme nous ko dit, art visuel. donc vous nga dama la soo loi 2008 ci liste énonciative des œuvres protégées par le droit d'auteur art visuel daf mm-hmm. mais art visuel non nous dafa am ci yeneen poche qui xam dana ci ñëw. vous mm-hmm. euh, soo jëlee xam nga dama ne dama jël désormais une note qu'on que fait pour fournir des dem percevoir pour la musique et l'audiovisuel Moi, mhm. ci hôtel yooyu nañuy des percevoir pour art visuel mhm. parce que si on nga dans ci ci benn milieu restaurant la wala leneen il y a fay pour musique bu ngay déglu mais aussi cadre bi loolu noonu voilà mais ça participe à l'amélioration de la qualité du service donc avons noonu un tableau bobu noonu nañu le propriétaire lieu bi na œuvre une copie de l'œuvre lañ ko jaay un exemplaire de l'œuvre mmh. donc droit d'auteur nit ki mi ngi fa képp ku ñëw di consommer ci en juillet mmh. donc donc nga ko cee war a dara muy droit d'auteur am loolu combat bo xam parce que ci ben dama leen né SODAV c'est une société pluridisciplinaire moy que ne ne man buguma ñu né SODAV rek c'est une société on n'est pas une société musicale mmh. exclusivement on est une société pluridisciplinaire et sunu combat moy ñëpp ñu nga xam dañ ñoo jox mandat pour ñoom ñu gis ci seen bopp et puis maa ngi commencer de signer des accords de représentation réciproque avec des sociétés étrangères. Effectivement. parce que nous sommes les musiciens et ci non la non de les les auteurs d'art visuel aussi tibiti ADAGP. Mhm. Mhm. Mhm. J'espère que xam ngeen ko. S.A.F. J'espère que xam actuellement on nous parle à ici à yooyu de yooyu ñi ngi affaire droit de suite Bilt ñi les ci. qui nag ci aussi yamul donc ma créé un collectif pour Hamnene ne ne. ñoom des technique. politique ça n'a de politique de technique pour les arts visuels parce que dama naan art bu nekk suñu weesoo ñun aspect juridique yi y a des spécificités techniques yu nga xam moi j'ai pas été formé pour ça donc je prends des professionnels yoo xam ne ne ñoom laay laaj ah lii soo ko kiiwee donc ci premier mooy nu ñuy waxee copie privée pour ñeneen ñi. Mmh. di wax euh, euh, rémunération ça nous amène. Euh, oui à parler mais daanelal ba pare. waaw voilà parce que nu ñuy waxee copie privée pour ñeneen ñi ñoom dañoo am ce qu'on appelle le droit de suite. waaw droit de suite dafa am solo. dafa mais balaa ñu ñëw ci droit de suite bi. parce mmh. que hum, yaa ngi lankar ñi sama lanc. waaw DG. <laughs> dañuy laaj hum, suñu xaritu peintre bi international moom nag def na yaakaar naa turu àdduna. Mmh. exposé yóbbu turu Sénégal fu nekk ñu la ci félicité di la ci remercier bu baax a baax ci encouragé tamit mm. euh, yow est-ce y a ngi gis sa bopp si SODAV parce que euh, copie privé bi mu koy expliqué bay ñëw ci droit de suite bi dinañ ci ñëw ak moom mm. mu dugg ci mais est-ce que y'a ngi naan boo demee tey ci benn espace euh, di fa di fa tëgg mm. accroché tableau xam nga tableau boobu xamuñu kan la wala xëy ne ka ka fa def xam kan la est-ce que que signe signé tableau ba dana ca gis boppam bala déet bon d'abord, am ben écart ci fonctionnement bi. ban li ils font un très bon travail. parce que moi, en toute honnêteté bénéficier de ce service depuis longtemps hein, depuis longtemps. Parce que au niveau du complexe culturel de Pékin, nous avons sélectionné des artistes, nous avons fait une formation avec Aziz Dien. Nous avons des brochures et tout. C'est ce que nous pour que ce niveau, nous sachions sen élève yelef ci côté droit d'auteur. Assisté na tamit qui est un milieu un xam c'était hors de de la ville de Pikine mais euh, maison des arts ou euh, Ousmane Dago def des des des des ateliers. au niveau de la biennale de 2016 euh, non non pas 2016. 2022. Euh, au monument de la Renaissance. À mon mm, exposition bu avec mm. Kalidou. Mm. Euh, sur le marché des arts. j'étais participant mais fofu ils étaient présents. donc en toute honnêteté. ils font un bon travail. seulement de femmes écart entre les artistes parce que euh, il faut aller vers l'information Ce qui fait dafa les femmes structure euh, c'est dans ton intérêt il faut chercher l'information il faut chercher l'information ils font tout pour aller vers le public mais euh, avec le temps les mën a parce que euh, du ñëpp culture Nous nga business restaurant di musique tableau peut-être tableau bi parce que nous des rafet mais culture mais yow culture droit d'auteur nous euh, contribuer pour hein? euh, donc dafa quelques réglages avec le temps et que une large communication, mais ils, ils, ils, ils, font du bon travail, honnêtement. D'accord, très bien. Mhm. Donc, mm -hmm. Lolo. Non, moi, j'en ai bénéficié parce que on a passé la journée. Nous avons une zone, Pikin. Hein, former les. Euh, donc jox leen même ay brochures. Lolo. ça je je je témoigne ça euh, ça ça prouve que waa SODAV ñu ngi def seen euh, liggéey. alors bu émission bi tollee fii. sauf que sauf que. Wow. Comme l'IMLA, c'est du bon travail, mais à améliorer. À améliorer. Parce qu'en général, on a tendance à se limiter à Dakar. Et puis, décret, décret d'application, Tamit, nous appliquer quoi Bien sûr. Parce que Tamit, euh, le droit de suite miroir, il est né en France depuis 1920. Mm-hmm. Mmh, Donc, il y a des pays qui adopté dans le monde. Plus mm-hmm. de 90 pays dans le monde ont adopté. Mm-hmm. Euh, mais au Sénégal, nous savons le droit de suite. Le droit d'auteur, nous savons le droit de ma foi, nous savons le droit de suite. Euh, donc, nous savons aussi pour que sur surtout droit de suite pour artistes art plastique et graphique euh, euh, ñu alors euh, tout de suite donc lui propose un proposer sur sur suñu programme euh, à voir sur la RTS les programmes du week-end et voilà on se retrouve juste derrière Alors, aujourd'hui, samedi à 16h30, à voir sur la RTS, vous aurez votre émission Yité Rigolé, euh, suivie de Bethlen, Njagba et toute la team. du samedi soir, hommage à Sunjulu Sissoko. Euh, on avait invité toute la famille de Sinjulu, euh, euh, samedi dernier ici sur ce plateau. Point de vue dimanche demain à 14h, suivi de Rémi Comcom juste après. Et puis le dimanche soir, Alun et toute l'équipe donc vous donne rendez-vous pour des moments de pur plaisir littéraire demain soir sur votre télévision nationale. Euh, sur nos ondes, euh, on fait un petit tour sur nos ondes avec euh, la radio Sénégal, la radio, oui, Radio Sénégal International, le débat. Aujourd'hui, 13h30, 15h. En vérité, demain, dimanche, 10h10, 11h. Et sur la radio nationale, vous aurez la soirée dansante à partir de 22h, suivie du dimanche, de, l'émission plutôt, Yaroudemb ak Yaroutei avec Maguette Nyon, Badienou 14h, 15h30. Et sur Dakar FM, Kif le samedi aujourd'hui 15h-18h et demain euh, dimanche reggae massive avec notre ami Amala Doukouré qu'on salue au passage. Alors, euh, merci euh, de nous suivre, amis téléspectateurs. Votre émission bat son plein. Les rendez-vous du samedi, nous faisons un gros coucou à notre ami Aziz et puis à Guy Sepen également on était sur donc am solo mais euh, donc dañuy dem agenda euh, culturel yi bala ñu droit de suite alors l'agenda euh, culturel de la semaine c'est parti sur la RTS Donc, vous aurez les jeudis littéraires au Centre culturel régional Blaise Senghor. C'est tous les jeudis, il faut y aller pour les férus de lecture. Et le film euh, Asiko euh, Samahol le 18 mai. C'est aujourd'hui à partir, c'était ce matin, de 11h dans les jardins de la mairie de Gorée. Et euh, le défilé Yasuke Walks, c'est le 24 mai. Ce défilé est prévu le 24 mai prochain à partir de 19h45 au théâtre de verdure de l'Institut français de Dakar en ville, au plateau. Euh, toujours. Alors, euh, merci beaucoup de nous regarder, amis téléspectateurs. C'était votre agenda euh, culturel. et donc, voilà. nous continuons cette émission. on parlait du droit de suite. c'est quoi le droit de droit de suite. voilà droit de suite Nous avons koy waxee simple. simple ben droit de revente Je artiste bi su première droit de suite. mais kooku mu ko jaay surtout daf koy jaayaat ci ay anam parce que droit de suite aussi du question de jaay naa la nga jaayaat ko keneen droit de suite dafa am des professionnels de l'art yu nga xam ñoom ñoo ko war a encadrer parce que soo xoolee la marché de l'art aussi quelque part loolu mooy xaw a indi yenn complication yi commission boobu nekk SODAV loolu laa leen di wax est-ce que c'est-à-dire le marché de l'art nous ne en France est-ce que c'est exactement même fusion bien la am mm-hmm. les commissaires d'exposition les qui les marchands donc dañuy Hall. mayo yu nga nan la ñuy def ba nga xam dañ leen di mën a contourner appliquer ñun sunu droit de suite mais de manière très tropicalisée aussi mais droit de suite aussi dafa laaj nag formalisation bu rëy de la part des artistes mooy déjà lu mu njëkk a bannir la vente à la sauvette maanaam nga ta taseeg nit xamoo ko xamula nga jaay ko mu jox la sax nga dem mhm. droit de suite c'est-à-dire c'est vraiment des œuvres très professionnelles lay porté soo koy jaay nit ki da nga war a mun a xam nit ki am toutes les références nécessaires encore un certificat d'authenticité de l'œuvre voilà certificat d'authenticité am fu ngeen ko consigné xam nga so xoolee dans le cinéma audiovisuel ñi ngi ñëw di wax le registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel nga xam mouvement bu am ci film non la wara démé pour le droit de suite nga xam chaque fois que œuvre boobu noonu nga jaayoon nit ki su dee daf koy nar a jaayaat ci yeneen anam mouvement boobu nga kii nga xam cinq pour cent day ñëw ci artiste bu ko defoon looloo taxoon tànk ma artiste bi dalay jaay exemplaire œuvre am mais jaayu la son œuvre c'est vrai loolu mooy mooy undu droit de suite mhm. mais ci biir droit de suite boobu ma daaneel tuuti rek euh, ay ni c'est-à-dire Sénégal a 5 Mais dans mais dama il une lecture de ces 5 c'est-à-dire que la clause c'est très favorable pour les auteurs d'art visuel sénégalais. xam nga demain en France ils sont à 3 mais 3 c'est dégressif là. Madame à partir de 12 500 euros. Mm-hmm. après mun na wàcc. 2 pour cent koy defal émission <laughs> spéciale. du mun a émission c'est trop technique quoi waaw c'est trop technique. on a quand même gars yi xam on a une loi très préférentielle mm-hmm. en matière de droit de sur loolu mm-hmm. daal. donc moo fay mo fay dañ lay bàyyi nga ñëw ci wax ñu ci yan matériaux ngay liggéey wax nga ñu ci yan thématique ngay liggéey. wax ñu ci eh, ak yan matériaux ngay liggéey. tout à l'heure on a euh, vu euh, euh, certaines donc de tes œuvres. nga waxtaanoon ñu tuuti balaa ñuy tàggoo ndax émission bi jeex na ba paré voilà bon man sumay may suis lié avec la liberté et puis ça dépend encore des circonstances yi may nekk. su ma même su par exemple je suis dans une région ci faut bi ci àll bi. une boutique qui vend des matériaux d'art des acrylique des pinceau man personnellement man suis lié. parce que dama am benn vision ak benn interprétation. avec les matériaux de l'environnement. très bien j'ai pas besoin coûte que toile pour exprimer Vous ah, bien sûr. Ah, parce que parce que c'est la nature. Mhm. tu es bien inspiré. spirituellement yow nature bi tout tout tout tout tout. projet. demain c'est le vernissage je précise le vernissage demain à l'hôtel Soramo en ville à partir de euh, à partir de 18h. voilà, c'est cela. Voilà. Wow. Donc, euh, projet, projet Benenbi avec succès. Les, Américains sont venus. Oui. Nous avons avec succès dans le cadre des journées culturelles euh, du village des arts. Les tey am exposition avec des artistes à la galerie des arts du soleil mais souvent, hôtel Soromon, le ñuy donc on va, on va fêter l'art, quoi. On va célébrer l'art. Voilà. Très bien. Voilà. Euh, d'accord. L'autre ce projet Fille Sénégal. Voilà. Euh, américains, ils sont toujours là Ils sont toujours là. ils sont toujours là. En ce moment, nous euh, pour Saint-Louis Jazz. Saint-Louis, oui. C'est le festival de jazz, jazz Donc, Khamna, Dinenchi Amtamit a invité semaine prochaine. Alors, DG, nous donnons un bec à contentement, comme dirait Aziz Diandila Dalal. Mm-hmm. Alors, l'angue est à go Oui, l'angue est à go, rappeler aux autorités déjà que nous de remercier visite notamment la ministre de la culture son secrétaire d'État mais rappelez leen lañ nous dig mis mise en œuvre effective et immédiate de la rémunération pour copie privée madame les pour le gouvernement Mounadef, pour les acteurs culturels de ce pays ci nous mettre en œuvre la copie privée parce que directement lui dugg poste nit ñi luy dugg seen poste nag acteur culturel loolu la ñu gën a itteel fu mu toll nii loolu dafa am solo donc loolu daal laay tàggoo di rey réitérer demande bi encore pour ñu taxaw ci ñaareel bi nag mooy conseil bu may jox artistes yi mooy que ne ne c'est-à-dire modèle économique dafa changé nu ñuy jaay œuvre dafa changer xeyna na waxtaan bi temps bi may ñu ñu dugg ci mais il faut que ñu commencer di adapter au nouveau modèle économique adapter au nouveau modèle économique du jël rek de bazar de ce œuvre yi aussi dans les réseaux sociaux dëgg la voilà yooyu daal loolu am solo la dinañ ci waxtaan parce que nak affaire statut de l'artiste euh, mënul jex ci ben émission hmm. copie privée droit de suite lolu mom ay plateau yi plateau lañ ci def rek euh, waxtaan non nañ ci ak grand Aziz Dieng waxtaan nañ si ak masamba euh, tay yow nga ñew DG également Daniel Gomez Garnafi, c'est pour dire que c'est un sujet extrêmement large et important. donc oui Morfay. voilà tout juste pour euh, une petite précision. oui ce euh, n'est c'est pas dans le cadre de la biennale. c'était tout juste un rendez-vous à respecter. Mhm. mais nos projets, c'est prévu pour le 7 novembre prochain, pour la grande biennale. Bien, Moi, je trouve tout aussi de remercier son Excellence l'ambassadeur Michael Renor, euh, ambassade États-Unis. Il a fait un mot pour euh, notre catalogue. Il remercie aussi Madame le ministre euh, euh, des Sports, de, la Jeunesse des Sports et de la Culture. elle m'a adressé une correspondance. Donc, on est bien soutenu et puis on les remercie tous. Avec Zouloumbaï aussi qui nous a accueillis au village ah des Arts. voilà, Franchement. C'est, voilà, voilà. Et à aussi, notre partenaire pour le 7 novembre, oui. au Boribana. Au Boribana. Voilà, voilà, voilà, Donc, je tenais à les remercier. Euh, oui, nous embrassons très fort à Mara. Voilà. Hawaba Mara. Voilà. On t'embrasse très fort, euh, le musée mmh. Boribana. Mmh. Euh, donc, il y a un artiste qui mmh. exposé lors de la Biennale de 2016. Voilà. Voilà. Donc, euh, c'est pour dire que C'était aussi avec le PACA. Mmh. Alors, Yag collaboré. Alors, émission Bimodia. Effectivement. Euh, Amadou Matago. Donc, euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres thématiques, avec euh, d'autres invités. Nous rendre hommage à Aïssatou Lo. On pense très fort à elle. Merci, infiniment à Shadia, donc notre amie star montante sénégalaise de la musique sénégalaise qui fait de la world music, n'est-ce pas? très belle musique. Et on se donne donc, on, on embrasse très fort Amélia également. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup.